Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. Français, non Bonjour tout le monde. Bon, nous remercions la presse, nous remercions les membres du regroupement des boulangers du Sénégal ici présents. Vraiment, euh, nous remercions tout le monde d'avoir été élu président du regroupement des boulangers du Sénégal. Cela va augmenter l'engagement qu'on a toujours eu pour essayer de défendre les membres du regroupement des boulangers du Sénégal. Bon, la priorité, elle est là. On sait tous que le secteur traverse une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui, il y a un statu quo sur les négociations entre les organisations professionnelles, les meuniers et l'État. Rien n'avance, tout le monde écoute l'autre Actuellement, l'État ne tient plus des réunions. Les boulangers, pendant tout ce temps-là, ils sont en train de souffrir et que vraiment ça doit cesser. À partir d'aujourd'hui, un nouveau souffle est en train de se passer ici au niveau du regroupement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle équipe que je vais diriger va insister sur les priorités et taper sur la porte de l'État pour que définitivement les boulangers soient Écoutez une bonne fois pour toutes, que le président de la République sache que les boulangers sont fatigués. Voilà deux ans, on est en train de négocier, on est sur le statu quo, ça n'avance pas et ça doit cesser. Actuellement, la farine, le 31 mars, doit être homologuée à un autre prix. On ne sait pas encore ce que l'État va dire. La facturation sur la c'est sur l'électricité, on l'a souligné ici, les organisations aussi professionnelles de la boulangerie sont actuellement divisées. Tout ça, c'est la priorité que le nouveau président et l'équipe que je vais diriger vont s'y atteler, Inch'Allah, dans les prochains jours. Euh, euh, bon, on sait que l'État a diminué le prix de la farine de euh, de, 6% sur la TVA. Donc, 12% sur la TVA. Les 12% là, si par exemple le 31 mars l'État du Sénégal confirme qu'il va reconduire ça, au moins que les 6% qui restent sur les 18% qu'il accorde ça aux boulangers. Ça, c'est une priorité. Comme ça, la TVA sera exonérée totalement sur la farine, comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Bon, à Wolof,

boo xam ne moom lépp loo xam ne lii jëmul ci njëriñul membre yi nga xam ne ñoo nekk ci boulanger ak boulanger Sénégal yëpp yiteewluñu lenn moo ñu ital mooy fépp fu boulanger nekk ci Sénégal lay sa soxla incha allah bu xëyee danañ ci dox li ñuy ñaan état bi nag mooy bureau bu bees bii nga xam ne installé nañ ko ak yeneen organisation professionnel ak meññe yi mooy ñu ànd collaborer ngir bop bo xamné problème boulangerie la rek une bonne fois pour toutes parce que deux ans nous souffrir nous ngi difficulté am nañ problème ci facturation farine bi wañé on wat wala war 31 décembre ñu bu fait dañuy reconduire les bi day continuer ngi ñaan état 6 pour nga xamné bu au moins ñu continuer négociation bi li ak une euh, organisation bi nga sommes ñu sur la table avec la nouvelle équipe te xamné inshallah lepp lo xamné des boulangers du Sénégal RBS a tenu son assemblée générale le 25 mars 2021 à son siège social du Raven Club à Guédiawaye avec comme ordre du jour renouvellement du bureau rapport financier, bilan exercice de l'année 2020-2021, installation du nouveau bureau. Les débats ont été ouverts par le président de séance. À sa suite, certains membres du bureau et certains membres du regroupement ont pris la parole pour repréciser leur point de vue sur la conduite des affaires concernant la bonne marche de l'association. À l'issue des travaux, un nouveau bureau a été proposé et adopté par acclamation. Ainsi, le nouveau bureau s'établit comme suit. Djibril Faye, président de l'association du regroupement des boulangers du Sénégal, Badagassama adjoint non non non. premier vice-président. premier vice-président deuxième vice-président Serigne Saliou secrétaire général Amadou Lamine Ndiaye. secrétaire général adjoint Papis Sow. trésorier général Khadim Sissé. Bye Sidi. Baï Sidi. Baïsidigé, adjoint. Eh, Aïcha Ndiaye, deuxième adjointe. deuxième adjointe. Coordonnateur. Coordonnateur Fallou Galas Sar. Euh, euh, Commissaire au compte. Mbaké Touré. Adjoint Mamadou Kebengom. Lors du jour ayant été épuisé, le nouveau président, après avoir remercié ses mandants, a pris l'engagement de donner le meilleur de lui-même pour la bonne marche de l'association et a formulé des prières pour clore les travaux. Fait à Dakar le 25 mars 2021, le secrétaire général. Je vous remercie. Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.